À Niagis, dans le département de Ziguinchor, la majorité présidentielle porte son choix sur Boubacar Sow, militant de l'APR, comme son candidat à la mairie. Nous, nous avons un candidat, un candidat qui est la personne de Boubacar Sow. Simple conseiller municipal et départemental, Boubacar Sow est présenté par ses pairs comme l'homme idéal pour le développement de Niagis, une commune lourdement affectée par la crise armée en Casamance. Quelqu'un qui est pour le moment simple conseiller et qui est vraiment ouvert, accessible pour tout le monde, nous pensons que vraiment c'est l'homme idéal pour faire développer donc, euh, la commune de Niagis. Face à la menace, de la coalition Yewi Askanui Benno Bokiakar de Niagis rassure. Non, ça ne nous ébranle nullement. Ousmane Sonko ne nous ébranle nullement. D'ailleurs, ça, qu'il n'a qu'à envoyer ses représentants ici, ils vont venir voir. On va les laminer ici. On va les laminer, je dis bien. Ces militants de Beno Bokiakar qui ont porté leur choix sur Boubacar Sow invitent le président de la République Macky Sall et les responsables locaux de la coalition présidentielle à respecter le choix du peuple. ca Nek, gis département bu ou à majorité présidentielle ba d'Adi tano Boubacar Sow di am militant bu APR ngir mu candidat qui mairie ba ñun responsables de déggoo nañu ni Boubacar Sow nous la pour te ko mairie au soir du 23 janvier Inch'Allah mu nekk simple conseil municipal ak départemental Boubacar Sow ay ñoñoom di ko présenté comme l'homme idéal ngir développement bu ñaagis di ab commune bi nga crise armée bu Casamance daal na affecté bu Nous a baax. mu doon nit koo que nous saa yoo fëgg buntam mu jóg déglu la faj say soxla. Boubacar Sow moy suñu Macky Sall fii ci bir ñaagis. ci kanam menace bu coalition yewi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar bu ñaagis di rassurer. bu ñuy wax Ousmane Sonko parce que élection présidentielle ñu gëj jógee. ñi ñi dañu doon soto parce que lan la dañu ne Ousmane Sonko suñu mbokk la mais tey kan ngay ne suñu mbokk la te Boubacar Sow du suñu mbokk Boubacar Sow fii la juddoo. yile militant yu Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ne tànn nañu kii di Boubacar Sow mu nekk seen i candidat ca jongante yu ñu dëgmal ñu ngi invité ki nga xamante ne mu di président de la République Macky Sall ak bépp responsable politique yi nekk fii ci bëtu Saalum réew mi ñu respecté tànneef askan wi.